en 2019, j'ai été recalé et qu'en 2024, je viens encore pour dire que je veux être candidat. C'est ma pugnacité. Je ne suis pas un défaitiste. J'ai toujours cru que nit warul rek dara am obstacle rek mune ne de xoolee que je combat de tous les jours à ma naissance ça a été un combat de toute une vie à côté d'une femme ma mère qui m'a beaucoup apporté donc je suis ci nekkee je suis sorti ne examen examen comme ni koy fait. Les ne sénégalais yi dama bëgg de sénégalais ne ne pas munoo parce que ont ma parrainage Le parrainage est 60 000 Nous avons 48 000 qui ont rejeté 18 000 pour divers motifs mais lolo, c'est la loi respecte. respecté y amul un problème du que nag sama tant que magnifique tant que maa ngi bëgg jox sama réew li ma jox delloo ko ko may continuer par ma pugnacité comme je l'ai dit ku dëgër bop la ma continuer di di di di def lolu pour né li il faut que ma def ko su neexee suñu borom maintenant suñu borom moy décider beneen bi nga wax la deuxième question le bilan de Macky Sall bilan Macky Sall luma ci wax amuma dara luma ma ciy wax buma ma candidat du ci wax wax bobu ñu ciy wax xam nga lutax parce que bilan bobu wax na len ko fi légui nee len élection yoyu c'est d'abord le bilan des décisions et résolutions loolu la wax parce que tànneef la mais sénégalais yi kay buñ ko tànnee tay wala ñu tan ki nga xamné moy ci suis la nek vous ñom contane nañ ci li ñu def motax man ma candidat si vous candidat nak Sénégalais yi avez un bilan bu dañ ko d'accord ak bilan Sénégalais yi